Ce Nogu débat est un Nogu spécial. Spécial parce que c'est d'abord une tradition qui ne s'est pas répétée l'année dernière, mais elle est surtout spéciale parce qu'elle marque un grand jour. Un grand jour parce que notre sœur, la présidente Khadi Sankaré a fait tout à l'heure une annonce qui rappelle d'autres annonces. Je disais tout à l'heure à la table à mon frère Mamadou Diop de Croix et à mon frère Mamadou Gueye qu'en 2004, quand j'avais 35 ans, les jeunes de l'UJTL avaient organisé une manifestation pour me souhaiter joyeux anniversaire. Et bien entendu, j'en avais profité aussi pour leur dire que désormais, considérez que je suis adulte. Et c'est ça que notre sœur vient de répéter. Je voudrais saisir ce moment précis pour rendre hommage à Khadi Sankaré, une présidente dévouée, une responsable engagée, une militante fidèle. Je peux le dire ici, parmi les jeunes, mom la ci njëkk Bama xam ba koy xam ñaar fukki at la am tey am ak juróom ça veut dire que lu mu gàtte gàtt xam ko 15 ans yakarna ñu ñi nekk si bi fi Comment on a dit, que la 15 ans bariwul mais Boba ak léegi lu ma nekk mo nga ca si avec le PDS elle s'est retrouvée avec moi avec le PDS quand nous avons décidé de mettre en place le mouvement des réformateurs elle était encore là. Et quand nous avons décidé de porter sur les fonds baptismaux les démocrates réformateurs ISL, elle était encore là. Elle a été là hier, elle est là aujourd'hui et Inch'Allah, elle sera encore là demain avec nous pour continuer à gagner d'autres victoires. Aduna, non nous la demain tay da ngay tok pare ñeneen ñew donc Khadi, tu es d'abord ma petite soeur. mais tu sais nous avons des rapports très francs et ces rapports francs font que les gens nous jàppante mais nous nous aussi bon fa parce que xam nga je t'estime tu sais que je te considère moi aussi je sais que tu m'estimes et je sais que tu me considères mais je te félicite je te félicite pour m'avoir accompagné jusqu'à présent et avoir dit tout à l'heure que vous attendez d'autres challenges et vous aurez d'autres challenges à relever dans le cadre du parti et dans le cadre du Sénégal parce que le pays a besoin de jeunes dames engagées, déterminées, prêtes à mener le combat pour le développement de notre pays. Vous êtes très social. Vous avez commencé par des activités sociales dans ta commune, à côté de tes parents. Aujourd'hui, vous êtes engagé en politique et vous êtes devenu une référence pour la jeunesse du ISL, une référence pour les militantes et les militants du ISL. Donc tous mes hommages et tous mes remerciements et encore une fois, toutes mes félicitations. Maintenant, une équipe part, une autre arrive. L'équipe qui part a eu à travailler avec une partie de l'équipe qui, va, qui sera là. Et c'est ça l'alternance, non, c'est ça l'intergénération. Moi, je crois plutôt à l'alternance intergénérationnelle qu'à l'alternance générationnelle, parce que les générations s'imbriquent. Donc, vous partez aujourd'hui, mais une partie de votre équipe reste. Elle sera complétée par d'autres nouveaux, par d'autres gens. Et ces gens-là aussi vont continuer à travailler pour l'épanouissement du parti. Et vous avez raison de les appeler à l'unité, à la solidarité, au sens élevé des responsabilités. LDRSL est un parti sérieux, c'est un parti structuré, c'est un parti d'avenir, c'est un parti d'espoir. Et aucun responsable, aucun responsable, aucune responsable n'a le droit de remettre en cause par son comportement cette ambition que nous portons ensemble de réaliser un projet politique efficace pour le développement du Sénégal. C'est pourquoi l'équipe qui va venir aura la tâche difficile. Mais elle pourra compter sur ton expérience. Elle pourra compter sur ta sagesse. Elle pourra compter aussi sur ton sens élevé des responsabilités pour les pousser au travail. Vous êtes parti sans partir parce que vous êtes toujours à côté. Je félicite donc parti BIEP. ci amal nanyoko ko may nous ferons une carte de membre parce que tout le monde doit renouveler son engagement Nous ma wax LDR parce que encore une fois nous avons besoin de bras et de force <coughs> pour continuer à œuvrer pour le développement du pays. Nous venons de fêter nos cinq ans d'existence juróomi Quel amagum kenn mënatul tudd landerneau politique du Sénégal té do ci bolé yeesal kenn mënatul politique du Sénégal té do ci bolé Modou Diagne Fada kenn mënatul politique ci Sénégal te do ñu laaj suñu xalaat LDR isl est devenu une réalité je disais le 7 mai 2016 qu'un géant était né

à l'organisation du parti, à la massification du parti, parce que c'est le seul travail qui paye. Mangi grum militant yep, di un militant yep, gis un ñoom ñëpp engagement gis naa ñoom un seen takkute te bis bu nekk rek may constater nous avons un grand parti un jeune parti mais un très grand parti alors parti bi dafa jëm ci ñu réorganiser ko waxtaan comité directeur ñu on va aller en congrès pour sortir du provisoire Nous allons on va organiser la conférence nationale des femmes on va organiser la conférence nationale des jeunes on va organiser l'assemblée générale des étudiants on va organiser l'assemblée générale des cadres on va organiser l'assemblée générale des sages et l'assemblée générale des enseignants mais aussi nous devons réorganiser les structures internes et les structures et commissions qui sont à l'intérieur des organismes internes. Je rappelle que la commission féminine est une commission de la Fédération des jeunesse réformatrice. Que la commission féminine est une entité dans la FJR. Ceci étant précisé, notre sœur, Kadi a dit tout à l'heure qu'elle remettait le flambeau à une petite sœur, qu'elle remettait le flambeau à quelqu'un de plus jeune. Et je crois qu'elle a raison. Ngour Wahnanyoko, Kenduko Et c'est important de respecter les dispositions statutaires du parti. Parce que nous, nous, comme 35 ans, mais elle ne sera pas dépaysée elle est jeune dame elle est déjà connue dans le parti elle aura d'autres responsabilités nationales pour continuer à travailler et servir loyalement le parti nous allons mettre en place une nouvelle équipe équipe de nag Moi, nous sommes ñaan équipe solidaire équipe unité nek une équipe bu nga xamné ne li ñuy xaar ci ñom dañu ko équipe comme un spécial la souvent procédure. yi daawul demee nonu mais musuma gis aussi ku saisir une occasion publique pour dire que je partais c'est la première fois souvent les départs on les enregistre dans le cadre du comité directeur cette fois-ci notre sœur a tenu à saisir cette occasion pour annoncer son départ et comme il n'y a pas de vide dans les organisations, il faut aussi penser à pourvoir les postes. Et comme vous me faites confiance, à travers les textes de notre parti, j'ai mené un certain nombre de consultations, un certain nombre de concertations, j'ai pris un certain nombre d'avis. Et je me suis dit que notre sœur Diaretou Mangan pourrait être présidente de la Commission féminine nationale à la place de notre sœur Kadi Sangare. Diarietou, c'est ma fille. C'est connu. Mais elle me connaît. Ce n'est pas ça qui a été déterminant dans, dans le choix. Parce que quand il faut décider, moi je mets de côté les sentiments. C'est parce qu'elle le mérite. Diarietou est un produit du parti. tout a fait ce qu'elle devait faire en tant que militante. C'est pourquoi j'ai pensé qu'elle méritait d'occuper cette poste de présidente de la Commission féminine nationale. Mais une équipe, <clears throat> on la constitue. À côté d'elle, à côté d'elle, j'ai choisi notre sœur Seynabou Djen. Seynabou elle est venue avec ma sœur Ken Bougoul dans le parti en 2018. Mais depuis 2018, Ken Monoko au niveau national, Ken Monoko à si Ken Monoko dans le parti elle a réussi à s'imposer en tant que fille donc elle méritait aussi de rester dans cette station-là et de continuer à travailler pour le parti. J'ai aussi proposé de créer un nouveau poste dans l'organisation et dans l'organigramme de la jeunesse féminine. Et j'ai pensé à notre sœur, Mam Diara Fall. Mam Diara, comme est une membre fondatrice du parti. C'est vrai que ces quelques années, elle n'était pas là, elle était partie au Maroc par faire ses études. Mais elle a toujours été avec le parti et en contact avec le parti. Et quand elle est revenue, elle s'est engagée comme si elle ne s'est jamais absentée. Et vous tous, je crois, vous l'avez constaté, vous avez constaté son dynamisme, son engagement, mais aussi sa compétence et sa pertinence qui nous rend à chaque fois que nous, avons, nous en avons l'occasion une très grande fierté. Donc, je crois que aussi elle mérite d'occuper cette position. Notre sœur Maria Massissé, Mariam Sissé, vous l'avez découverte, vous la connaissez. Elle était présidente de la commission féminine du MEL de l'UGB. Quand elle est venue dans le parti, elle est là, présente, parce qu'elle a du potentiel. Et j'ai pensé qu'elle pouvait être, qu'elle pouvait prendre la communication. Elle peut prendre la communication et les relations avec la presse. Écoutez, c'est difficile de citer tout le monde. Parce que le bureau va, comprendre 40 personnes. 40, 45 personnes. Nous avons tout D'abord, on un exemple. Mais nous avons des filles qui sont méritantes, qui vont intégrer le bureau et qui vont continuer à travailler. Parce que dès le prochain comité directeur, on va annoncer la liste complète du bureau. Mais naturellement, celle qui était là, et qui avaient des responsabilités, qui ne sont pas atteintes par la limite d'âge, vont continuer à garder leurs responsabilités. Et c'est dans ce sens que je cite quelqu'un, une jeune dame qui est très proche de moi, qui est une amie, euh, notre elle est trésorière de la euh, de de l'affaire je crois que Koune va aussi continuer à accompagner les jeunes parce que moi pour mais Nenako, je te demande de rester dans le bureau et d'accompagner les jeunes filles pour que nous, puissions bénéficier y a maintenant les très jeunes euh, ce que j'appelle les filles de Khadi Sankaré euh, les Ndumbé les gamins les Farcissés, les... Voilà, toute cette génération aussi va intégrer le bureau pour accompagner notre sœur Diaretou Mangad pour continuer à faire le travail. Mais Inch'Allah, au prochain euh, euh, comité directeur, on va annoncer la composition complète du bureau. Donc, les Nignan, ngeen ànd bokk ndey bokk mbaay di yëkkateendoo di waxtaan Diarietou tu es la présidente da nga am vice présidente am secrétaire général am ñeneen cër boobu ñu la jox ba tax nga jiite leen ñu nangul la ko yow tamit da nga leen di delloo cër bi delloo cër bi mooy bureau am na naam assemblée générale am na naam. mais laata nga yëkkati dara nga waxtaan ci ak ñoom diisoo ci ak ñoom jël xalaatu ku nekk jël xalaat ça ne veut pas dire que doo décider man mën na maa jël xalaat mais may may dogal donc loolu mooy démarche bi nga xam ne moom laa la sant te xam naa ne noonu ngay doxale yéen tamit ànd leen ak moom dans la loyauté dans la franchise fii dara ñorogu fi bañ koy macc wutandoo leen

Dangaham, ce parti-là est un parti sérieux c'est un parti qui regorge de filles de qualité de filles pertinentes